Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue au Forum de la presse, le rendez-vous hebdomadaire des journalistes à Studio Kalangou. Trois sujets ont dominé l'actualité cette semaine. Il s'agit de l'attaque de Boko Haram dans la nuit du lundi 22 au mardi 23 janvier à Ngingimi et dans la région de Difa à suivre dans notre forum de la presse le tribunal de grande instance de Maradi qui a reconnu dans un jugement rendu la semaine dernière la responsabilité de l'État dans l'incendie de l'école AFN de Maradi qui a causé la mort de 34 enfants et 10 autres blessés. L'actualité, c'est aussi les difficultés des éleveurs nigériens dans le département de Gaïa, région de Dosso. Pour commenter et analyser tous ces faits, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Hassan Boukara, journaliste à la radio alternative. Bonsoir Hassan. Bonsoir. Hussein Issa journaliste indépendant. Hussein Issa bonsoir. Bonsoir. Et Maimouna Diado, journaliste indépendante. Bonsoir Maimouna. Bonsoir. À la modération, je suis Mokhtar Hamadou. Le forum de la presse sur le Studio Kalangou commence dans un instant. Nous le disons en titre dans un communiqué du ministère de la Défense nationale publié mardi les éléments déployés à l'aérodrome de Ngingimi et dans la région de Difa ont été la cible d'une attaque perpétrée par le groupe Boko Haram dans la nuit du lundi 22 au mardi 23 janvier. Selon le communiqué, les assaillants se sont heurtés à une farouche résistance des éléments des forces armées nigériennes en poste et l'opération de ratissage aussitôt engagée avec euh, l'appui des vecteurs aériens, a permis de neutraliser plusieurs dizaines euh, qui tentaient de fuir à bord d'une dizaine de pirogues euh, par le lac Tchad. Côté ami, le bilan fait état de 10 soldats blessés et dont le pronostic vital n'est pas engagé. Memouna Diado, vous aviez certainement suivi le communiqué du ministère de la Défense nationale mardi à la télévision nationale. Euh, située dans l'extrême euh, sud-est euh, du pays, la région de Difa a fait face depuis 2015 aux attaques de Boko Haram et de ses différentes factions, notamment l'ISWAP. Que peut-on retenir au sujet de cette nouvelle attaque à Ngingimi dans la région de Difa? Merci donc euh, Mokhtar. Euh, il faut d'abord noter que euh, Gingimi, euh, ça fait plusieurs mois, ou bien plusieurs mois, si je peux le dire, qu'il n'y avait pas eu en tout cas une attaque au niveau donc de Gingimi. C'était quand même stable et jusqu'à jusqu'au mardi quand nous avons appris cette attaque donc de Boko Haram. maintenant, qu'est-ce qui a causé comment est-ce que aujourd'hui euh, c'est Boko Haram euh, qu'on pensait d'ailleurs affaibli oui affaibli se sont retrouvés au niveau donc de l'aéroport euh, l'aérodrome de, pour pouvoir effectuer ce qu'ils ont pu effectuer mais ce qu'il faut également retenir c'est que ils se sont ils ont croisé des forces de défense et de sécurité qui étaient vraiment euh, aguerries. et qui étaient par la vigilance, hein, parce qu'il faut, il faut vraiment encourager ces forces de défense et de sécurité. Ils les ont pas surpris parce qu'ils étaient déjà préparés à une quelconque euh, euh riposte donc de, de, de, ces éléments de Boko Haram. Il faut également aujourd'hui euh, se poser la question on l'a toujours dit, hein, la région de Difa, en fait, c'est les vecteurs aériens qui sont tout de suite mis à contribution, qui fait qu'ils arrivent à repousser rapidement ces assaillants. C'est très différent de la région de Tilabiri, où il faut attendre les vecteurs aériens qui ne viennent pas. Mais là, vous avez vu aussitôt, c'est les vecteurs aériens qui avaient pris le relais et qui ont pu neutraliser ces ces éléments de Boko Haram. Bon, l'un dans l'autre, ce que euh, nous ne pouvons que dire, c'est de redoubler de vigilance. C'est vrai, ils ont tenté, peut-être ils pensent que la zone, elle est aujourd'hui, c'est une zone où ils peuvent venir faire ce qu'ils veulent faire et retourner peut-être causer la mort de centaines de, de, militaires sur place. Mais Dieu ne leur a pas donné cette occasion. Nous souhaitons prompt rétablissement aux blessés et de redoubler de vigilance pour que, parce qu'ils viennent, quand ils viennent, c'est pour voir tâter le terrain et repartir. Et Dieu seul sait où est-ce qu'ils vont encore surgir. Donc, c'est de redoubler de, vigilance. C'est tout ce que moi je pourrais dire par rapport à l'attaque là de, de, Gingimi. Mais ça a surpris tout le monde parce que ça fait longtemps qu'on n'a plus entendu parler de Gingimi. D'attaque frontale contre les forces armées nigériennes. ça. fait longtemps. On parle de kidnapping on parle de, Boko Haram, des éléments de Boko Haram qui viennent, qui kidnappent, qui viennent, qui prennent les commerçants d'habitude. C'est des personnes qui sont ciblées et qui demandent des rançons. Mais là, qu'on vienne pour attaquer, c'est très risqué. Donc, il faut également mettre à contribution les frontières. La frontière Gingimi et la frontière du Nigeria, et la frontière Guingimi qui va vers le Cameroun. C'est également très important de surveiller ces frontières-là. Merci beaucoup, Memouna Diado, Hassana Boukar. La semaine dernière, euh, déjà, plus de 2000 euh, euh, personnes déplacées, majoritairement des femmes et des enfants, qui ont fui les attaques des hommes armés, ont trouvé refuge à Ngengimi. Comment faire pour mieux apporter assistance et secours à toutes ces personnes dans ce contexte de transition et de fermeture des frontières oui, je pense que c'est une situation difficile. Hein. Alors, euh, ceux qui sont arrivés récemment sont venus retrouver d'autres qui étaient là depuis longtemps. Ça fait des années hein, qu'il y a. J'ai eu l'occasion de visiter Ngigimi euh, ça fait peut-être un an et demi, peut-être deux ans, euh, à l'époque déjà, à la périphérie de Nguigimi on retrouvait justement ces populations, c'est tantôt des déplacés internes, tantôt, des, réfugiés, qui sont installés à la périphérie de Niamey et qui essaient de vivre avec l'appui des humanitaires, etc. Donc c'est une situation très très difficile. Il est vrai que euh, le régime passé a quand même essayé, je crois, avec l'accord des autorités du Nigeria, de rapatrier certains euh, donc au Berkay, chez eux. Euh, mais il y a toujours euh, beaucoup de personnes qui sont là sur le terrain dans la région de Difa. Euh, il y a encore une place pour le travail des humanitaires. Aujourd'hui, la question de l'accès à l'alimentation, l'accès à l'eau. Sur place à Difa. Oui, oui, oui. la question des soins et surtout, par exemple, la question de l'éducation des enfants. C'est des questions extrêmement importantes à, gérer. Lorsque les gens quittent une localité, sachant bien que l'école a été une des cibles de Boko Haram, comment euh, essayer, quand on fait face à un nombre aussi important de populations déplacées, comment réussir à faire en sorte que les enfants ne puissent pas perdre l'éducation. Et euh, quelquefois, là maintenant, la question que je me pose, c'est que au vu de cette attaque, est-ce que les gens vont quand même continuer à rester sur place bah, parce que les populations peuvent avoir l'impression qu'elles ne sont pas en sécurité, hein, même dans une localité comme Guigimi. Est-ce que certains vont chercher à se déplacer, à aller ailleurs Et donc, dans tous ces mouvements, euh, par exemple, ceux qui sont à l'école, c'est vraiment difficile. À mon avis, l'État peut toujours, avec euh, l'appui des, humanitaires, essayer d'aider ces populations. Mais une des choses qu'on ne dit pas beaucoup, c'est déjà l'engagement, le sacrifice des populations locales. C'est-à-dire qui, partagent avec euh, toutes ces personnes-là. Qui reçoivent. On peut toujours dire que de part et d'autre de la frontière, euh, avec le Tchad, avec le Nigeria, on a presque la même population. Les mêmes familles. Donc les gens, quand ils arrivent, parfois ils ont des cousins, des parents de l'autre côté. Mais je pense que les populations locales, dans un contexte extrêmement difficile, parce que elles ont aussi été éprouvées, ces populations locales. Elles ont montré, elles ont fait preuve de solidarité pour accueillir ces, populations. Et sur la durée, hein, euh, ce n'est pas, facile parce que les premières attaques vraiment fortes contre, contre la région de Diffa, ça date de février 2015. 2015. Hein. Donc ça fait presque dix ans aujourd'hui, on est en 2024. Donc pendant toute cette période, à mon avis, les populations locales, elles ont fait preuve de solidarité, de résilience. de je pense que c'est quelque chose d'extrêmement, important. Euh, maintenant, évidemment, il y a encore de la place pour, pour l'État, pour les acteurs humanitaires qui peuvent s'engager, venir. Mais la question ce que je me suis toujours posée, il y a toujours une différence entre mener des actions humanitaires sur quelques mois, sur un an. Mais lorsque ça reste dix ans, ça devient extrêmement compliqué. Par exemple, est-ce qu'on aurait pu mieux impliquer les, élus locaux, par exemple c'est-à-dire que de façon à ce que les élus locaux, euh, les gens de la région, les municipalités qui sont concernées, le conseil régional, voilà, voilà, puissent travailler avec les humanitaires de façon à ce que tout cet investissement, parce qu'il y a quand même beaucoup de ressources qui ont été investies dans cette région, que cet investissement soit mieux géré de façon à ce que les réfugiés, les déplacés internes puissent mieux profiter le risque qu'on voit dans une zone comme DIFA, que des circuits privés puissent mieux profiter de ces ressources Au détriment des, déplacés, des, réfugiés. Là, là, quand vous avez beaucoup d'argent, c'est des marchés qui sont donnés, c'est différentes activités qui sont sous-traitées avec des personnes au niveau local. Je me dis, peut-être que si on avait travaillé, en tout cas avec les, les, les élus locaux, peut-être qu'on aurait mieux exploité, mieux rentabilisé ces ressources au profit des populations locales. Merci beaucoup Hassan Boukara, Hussein Sajibo. Euh, ce sont les incidents les plus violents signalés entre l'armée et les terroristes après plusieurs mois d'accalmie dans euh, cette région théâtre depuis 2015. Hassan l'a dit tout de suite aussi, euh, d'attaques du groupe armé né au Nigeria et de l'État islamique en Afrique de l'Ouest sa bande dissidente. Quelle est votre analyse, votre opinion au sujet de cette nouvelle attaque à Ndingimi oh, mais Cette nouvelle attaque, je peux la qualifier de surprenante parce que je sais que la force mixte multinationale qui était basée là-bas est parvenue à continuer à éradiquer pendant pratiquement des années, on a. Vous faites allusion à la force Nigeria, Tchad, Niger. Oui, bien sûr, la force mixte multinationale. Les Cameroun aussi. Ils ont pu contenir, ils ont pu neutraliser. Ils sont même dans des actions offensives contre les groupes armés jusqu'au Nigeria, n'est-ce pas Et c'est à quoi on a assisté pendant toutes ces dernières années, c'était de pose de mines artisanales, n'est-ce pas C'était ça. C'était karma. Contre les patrouilles. Le, mode euh. opératoire, même des civils tombaient sur les mines, les mines n'est-ce pas C'était ça. Et puis voilà, soudainement, soudainement, parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait une attaque frontale comme ça, et contre une position militaire dans la région. Alors subitement, voilà, on n'a pas. Moi, je me suis posé des questions. Sommes toutes légitimes. Laquelle Les Français qui ont quitté ici, là. Qui sont allés vers une partie, vers le Tchad, il semble qu'il y a une partie aussi Ou vers le de l'autre côté, vers le Nigeria. N'est-ce pas est-ce qu'ils n'ont pas une main derrière cette affaire-là ah, Ça, c'est une, une, interrogation. Vous, mais je, je m'interroge. Voilà. Mais je m'interroge parce que je vois soudainement que des gens viennent s'en prendre à une position très dure au niveau de On parle de l'aérodrome. de Ngingimi. N'est-ce pas Un nombre, en grand nombre. Le, communiqué du ministère de la Défense euh, parle d'une dizaine de pirogues. Mais une dizaine de pirogues, sur chaque pirogue, quand on parle de pirogues, ce n'est pas nos petites pirogues mm. là d'ici. Mm. C'est souvent les grandes pirogues avec des moteurs et tout et tout qu'ils utilisent, n'est-ce pas Absolument. Alors, ça peut contenir 30, 40 personnes qui viennent. Qui oui, posent... oui, certainement, ils ont pris tout ce ah. temps-là pour se réorganiser. Pour se réorganiser, ils ont eu peut-être quelque part aussi. <laughs> du soutien n'a plus de taille. <laughs> N'est-ce pas Mais on ne sait pas. Mais nous sommes dans une situation où nos pays-là, on peut les déstabiliser à tout moment. Ceux-là qu'on a chassés, on a vu un peu dans la région du Tilabé, ce qui s'est passé quand ils ont quitté. Il y a quand même un semblant de stabilité. Les gens arrivent à continuer, n'est-ce pas Mais les attaques continuent toujours. Non, mais les attaques continuent, mais pas d'ampleur pas d'ampleur parce que ils n'attaquent pas de manière frontale aujourd'hui dans la région de Tilabé les positions militaires. C'est des embuscades qu'ils tentent, c'est souvent des mines. Le plus souvent, c'est des mines, les véhicules roulent sur des mines, il y a deux ou trois mois. Avant leur départ, il y a des morts où on t'a dit il y a 72 morts. On attaque même des positions, comme on avait dit, de l'armée. Des patrouilles. des, patrouilles et tout et tout. Et c'est dans des embuscades complexes, comme on a l'habitude de dire. Alors, je me pose des questions. Est-ce que, derrière cette affaire-là, n'y a, pas des mains invisibles a pas et tout et tout, qui peut-être aller, comment dire, réactiver. Euh, voilà, pour dire, voilà, il faut créer une situation. Parce qu'on pensait qu'à qu'Adifa, c'était terminé. En tout cas, on a pu contenir, on peut, il y a des petites poches de résistance et de tout et tout, des petites attaques par-ci, par-là, mais comme ça, de manière massive, qui viennent s'en prendre à une position de l'armée. Moi, je me suis posé des questions. Comment subitement on arrive on, se trouve dans cette situation à nouveau Alors qu'on pensait que c'est la zone de Tilabé qu'il faut, qu'il faut aujourd'hui euh, renforcer. Et il faut créer un autre front dans la région de Difa qui a été meurtri pendant plus de combien d'années avec des enlèvements, avec karma des villages qui sont incendiés, avec des greniers, des boutiques et tout et tout. Et subitement, voilà que ça reprend. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Merci beaucoup, Nissa Dubo nous réitérons notre soutien à l'ensemble de nos FDS qui se battent nuit et jour pour assurer la sécurité de nos populations, a déclaré le gouverneur de la région de Difa, le général Mohamedou Ibrahim Bagdoma, qui s'est euh, rendu au centre hospitalier régional pour s'enquérir à des conditions de prise en charge des soldats blessés lors de l'attaque. Selon vous, que faire pour un retour rapide de la paix la stabilité et le développement dans cette partie du Niger. Je commence avec vous, Hassan Boukar, rapidement. Un retour rapide, je ne sais pas si c'est possible, mais c'est l'espoir en tout cas des, des gens de DIFA qui sont meurtris par presque une décennie de guerre euh, qui a totalement déstabilisé la région. Euh, retour rapide, je ne sais pas. Je pense que, comme Hussein dit, on peut toujours se poser des questions de comment une force, euh, quand même, qui est restée presque en accalmie pendant un certain temps, qui fait ses réveil brusque avec euh, une capacité à attaquer une position militaire. Pendant longtemps, la localité de Ngigimi a connu tous ces enlèvements. des kidnappings. Hein. Voilà, entre Ngigimi et Kablewa pour les populations qui se déplacent il y a des enlèvements et tout ça. Et donc, le fait qu'ils s'attaquent maintenant à une cible militaire, ça laisse croire qu'ils se sont mieux organisés, par exemple. Donc, aujourd'hui, est-ce que la vigilance a baissé si la vigilance baisse, ils ont le temps de se réorganiser et de faire ces attaques-là. Mais en tout cas, euh, un retour rapide à la paix, c'est un souhait. Mais je pense que pour l'instant, euh, il n'y a qu'à monter encore la vigilance, continuer à se battre de façon à ce qu'ils ne puissent pas mieux s'organiser pour revenir poser les actes que l'on voit aujourd'hui. Donc, à mon avis, il faut davantage de vigilance contre ce qui se passe aujourd'hui. Merci beaucoup, Hassan Boukar. Rapidement, je, je ne pourrais que peut-être augmenter sur ce que Abadi, pour ce qui est du retour rapide euh, de, la, paix, de la, stabilité, et le développement, le développement du pays, euh, de la région, de la région du Tifa, c'est que peut-être il faut également accentuer les sensibilisations pour euh, la collaboration, entre, la, euh, population. et les forces de défense et de sécurité. Il faut également, si euh, il y a un regressement de la force multi mhm. c'est qu'il faut également dans ce cas activer cette force pour que au long de ces frontières là que chacun dans son pays puisse au long de la frontière qui fait et qui partagent notre frontière puisse euh, puissent être euh, sécurisés. davantage et également euh, être vigilants parce qu'on on ne cessera de dire qu'il faut relever le niveau de vigilance l'ennemi peut à tout moment, en tout cas, surgir et on ne sait de nulle part, l'ennemi peut surgir. Donc, c'est vraiment redoubler de vigilance et essayer de, mettre la vigilance surtout au niveau euh, euh, de la coma de Gouyobé, puisque c'est là-bas qu'ils viennent maintenant avec leur pirogue pour pouvoir déstabiliser la zone. Donc, vraiment redoubler de vigilance et nous sommes avec les forces de défense et de sécurité. Nous savons ce qu'ils sont en train de faire, en tout cas euh, au niveau donc de ces frontières-là, pour sécuriser les populations. Mais nous appelons également aux populations d'être d'aller dans le sens de la collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Merci beaucoup, Mme Diado. Merci à vous trois pour vos premières analyses sur notre premier sujet, le communiqué du ministère de la Défense nationale au sujet de l'attaque de Boko Haram à Chers auditeurs, internautes, restez branchés. Il nous reste encore des sujets à aborder. On observe une courte pause. Passons à présent au deuxième sujet du forum de la presse sur Studio Kalangou. Le tribunal de Maradi condamne l'État du Niger dans l'incendie de l'école AFN de Maradi ayant causé la mort de 34 enfants et fait 10 blessés graves. En réparation, l'État est condamné à verser aux ayants droit 15 millions de francs CFA par enfant décédé et 10 millions à chacun des 10 blessés. Mais la responsabilité politique, elle, restera endossée par ceux qui ont détourné l'argent qui aurait pu permettre la construction des classes en matériaux définitifs. Hassan Boukar, après avoir reçu la requête comme euh, régulièrement introduite, euh, le tribunal a estimé que l'État est responsable du fait de l'incendie des écoles AFN de Maradi ayant causé la perte en vie humaine de 34 enfants et 10 blessés. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement Pour moi, le fait de porter cette affaire devant les tribunaux est une très bonne initiative. Ah, c'est une très bonne chose selon vous. Très bonne initiative pour moi. Et, le verdict aujourd'hui, qui rend l'État responsable de cette situation, ça peut faire école pour moi. C'est-à-dire que ça montre qu'autour de ces fautes, on peut toujours arriver à n'est-ce pas, à situer la responsabilité de l'État. Il y a eu plusieurs décès d'élèves. Là, on parle de 34 enfants. C'est un vrai drame. Il dit blessé grave. oui, c'est arrivé ici à Niamey. Il ne faut pas l'oublier. C'est arrivé ailleurs. C'est vraiment une question, C'est une question extrêmement dangereuse. L'État a laissé les écoles dans des situations vraiment déplorables. À un moment, on comptait 35 ou 36 000 classes en paillot dans des écoles au niveau national. C'est énorme. Donc, aujourd'hui, le fait de mettre l'État devant ses responsabilités, de l'accuser de n'avoir pas protégé des enfants qui sont là, que les parents ont bien voulu inscrire à l'école, ça montre aujourd'hui que l'État peut être amené à faire plus attention demain à ce qui arrive, mais surtout, le fait que les gens portent la question devant le tribunal peut inciter d'autres aussi à faire la même chose. Et je pense qu'à la longue, on peut créer une culture de contentieux sur des questions de ce type. Moi, j'ai quand j'ai lu cette décision, j'ai dit, mais voilà, au moins, c'est une bonne décision. Qu'est-ce qui arrive généralement Lorsqu'on se retrouve dans une situation qui se traduit pas des pertes en vie humaine, quelle est la tradition Déjà, se dit, bon, on laisse l'affaire à Dieu, mais ben, c'est Dieu qui l'a voulu, et on n'a même pas droit à la bonne information. Le fait qu'aujourd'hui que l'affaire soit portée devant le tribunal, la première chose qu'on obtient, c'est quoi C'est une enquête qui permet de dire au juste qu'est-ce qui s'est passé dans cette école à la fin de maladie Et si on doit prendre des mesures. Voir si des fonds n'ont pas été détournés, euh, qui doivent servir à la construction. Au-delà de... ça, au-delà de ça, je veux dire, je veux dire, l'information qu'on a, il y a un incendie qui a causé la mort des élèves. Mais comment l'incendie s'est déclaré Comment ça s'est fait Une enquête de justice permet au moins de donner des réponses formelles à toutes ces questions-là. Et si on doit inviter parce qu'il y a encore de nombreuses euh, classes en paillote. Si on doit prendre des mesures pour éviter que ce qui est arrivé à Maradi arrive, il faut au moins qu'on comprenne ce qui s'est passé. Et mieux, je me dis, par exemple, je, fait fais le parallèle entre ce qui se passe dans le service de santé, où quelqu'un, un patient arrive, et il décède après, on dit, ah oui, il y a une erreur, quelqu'un a été négligent, quelqu'un n'a pas fait son travail. Vous n'avez pas de contentieux. Il faut bien arriver à au contentieux sur ces questions-là, porter l'affaire devant les tribunaux. Pour que ça puisse servir d'école. Ça peut servir d'école, ça évite à ce que d'autres personnes vivent la même chose. Regardez ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux, sur des diagnostics, des, faux réactifs, quelqu'un qui a fait un faux diagnostic. Vous avez énormément de choses sur lesquelles on n'a aucun contentieux. On n'a même, pas la possibilité de savoir au juste qu'est-ce qui s'est passé porter l'affaire en contentieux, ça permet de faire une enquête, au moins de dire voilà ce qui s'est passé. Et si on veut éviter que ça arrive, c'est de prendre des mesures connaissant bien ce qui se passe. Donc pour moi, cette décision qui est arrivée à Maradi, j'espère qu'elle fera école. Et c'est une très bonne décision ait des personnes portent l'affaire devant les tribunaux. Pour moi, c'est une très bonne chose. Merci beaucoup Hassan Boukara. Ousseini Sajibo, selon la décision, les défendeurs euh, disposent d'un délai de deux mois pour euh, faire appel ou opposition au jugement. Quelle est votre opinion au sujet de cette euh, décision de justice à Maradi Il faut une justice. Moi, ma position, ma position a toujours été la justice sociale, n'est-ce pas Ça a toujours été ma position. Malheureusement, dans ce pays, à la faveur de la justice. démocratie. ça a posé ah un problème, la culture du, contentieux. Mais bien évidemment, la culture du contentieux. Il y a des moments où, sous les régimes démocratiques, on fait obstruction même à cette culture-là. On l'a connu sous le régime qui déchu, où on empêche aux acteurs qui veulent aller porter l'affaire devant la justice, on empêche en menaçant ou en leur demandant de cotiser, de déposer une caution, de, tout ça. Ça ne doit pas prévaloir dans une démocratie. Le citoyen le plus lambda peut attaquer quand il se sent lésé. Mais quand on crée une situation comme ça, parce que je suis en position de pouvoir, c'est la chose, c'est une chose importante. Il n'y a pas eu que la, la, la, de l'école AFN. Les enfants qui sont morts cramés ici, aux Pays-Bas. L'affaire est devenue quoi Qu'est-ce qu'on a cherché à savoir autour de ça C'est des questions fondamentales. C'est ça qui va créer que les citoyens vont comprendre qu'ils ont véritablement une justice. Mais quand on crée le sentiment, le fatalisme, parce que tu te dis, même si je vais, on ne va pas m'écouter, parce que c'est l'État. Mais l'État est aussi, on peut poursuivre l'État, n'est-ce pas Si on ne peut pas poursuivre l'État, alors à quoi sert l'État Les citoyens, parce que l'État doit a des obligations vis à -vis des citoyens. Ça, c'est une bonne chose. Maintenant, ce qu'on va espérer, c'est que les dommages euh, intérêts qui doivent être versés aux, aux victimes, aux parents des victimes, que ça, soit, ça se dans les délais. Parce que souvent aussi, ça prend du temps. On peut traîner ça à longueur. les, avocats, les, avocats, de l'État du Niger peuvent interjeter. Mais eh, ben, ils vont interjeter quoi Pour dire quoi C'est des morts. Ils vont dire quoi mais c'est leur droit. Mais même s'ils le font, même s'ils le font. Merci beaucoup, Hassan Alors, même s'ils le font. Alors, où est le problème ils peuvent interjeter, mais il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête. Quand on a et, le système qui balaye, ils ont promis chaque année. Baba a parlé de 36 000 classes. Ils ont parlé chaque année de construction de, de, de, classes. 2500, classes par an. Oh. N'est-ce pas, en matière définitive. Est-ce qu'on a assisté à ça? Parce que tout simplement, des gens ont pris l'argent public, qu'ils ont mis dans leur poche, ils sont allés se coucher. Est-ce qu'on doit continuer Parce que le développement suppose quoi Le développement suppose des investissements dans les secteurs sociaux, la santé, l'éducation, l'agriculture. Tant qu'on ne va pas le faire, on va rester toujours à l'état, là où nous sommes là. Et c'est en cela, j'ai dit, il faut que les gens le plus souvent, il faut le reconnaître, c'est pendant les périodes de transition qu'on connaît des avancées, n'est-ce pas Certainement que des efforts vont être faits pour mettre les parents des victimes là dans leurs droits. C'est ça, en tout cas, moi, personnellement, mon souhait. Merci beaucoup, Ousseini Sajibou Diado. Cet incendie de l'école AFN de Maradi fait suite à celui en avril de la même année de l'école maternelle du quartier Pays-Bas de Niamey. Hassan Boukar l'a euh, évoqué tout de suite, qui a fait également une vingtaine de victimes suite au fait qui a ravagé plusieurs classes en paillote. Quelles sont les véritables attentes des Nigériens à ce sujet? les véritables attentes des Nigériens, d'abord, euh, euh, pour Maradi, on pense que c'est déjà réglé et que euh, normalement, pour ceux qui est de l'école Pays-Bas aussi, ils doivent prendre la, faire la même chose que pour Maradi, pour pouvoir mettre également les, familles, des victimes. dans leurs droits. Et je pense qu'ils n'ont pas tort, en tout cas la justice au niveau de Maradi n'a pas totalement tort d'incriminer euh, l'État, puisque c'est l'État qui doit d'abord garantir la sécurité euh, de tous les citoyens. Et parmi les citoyens, il y a également ces élèves-là. C'est l'État qui doit créer, d'abord, c'est une obligation à l'État d'envoyer les Nigériens, les enfants nigériens à l'école, de créer les classes. qui va contenir d'abord ces élèves et également de veiller à leur sécurisation. Maintenant, on est face à des écoles publiques où des fois il n'y a même pas de clôture. Des fois on se retrouve dans des écoles publiques où c'est des véhicules qui passent à longueur de journée, où c'est des individus, des badauds qui passent leur journée dans ces écoles-là, où non pas seulement les classes payotes, mais il y a l'insécurité. Il y a cette insécurité-là. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que des écoles sont abandonnées à elles-mêmes. Oui, oui, mais ça, c'est pas dans les grandes agglomérations. Euh, je t'assure. Vous, euh, faites allusion euh, aux écoles situées dans les, zones de sécurité. Même à Niamey, même à Niamey aujourd'hui, il y a des écoles qui ne disposent pas de clôture. Il y a des écoles où, à longueur de journée, les enfants sont confrontés dans cette situation-là avec leurs enseignants, où c'est des voyous, des bandits qui pénètrent dans ces écoles-là, qui menacent les enseignants, qui menacent les enfants-là, ou bien c'est des automobilistes qui passent tout leur temps en train de faire la navette dans la cour pour pouvoir rejoindre euh, l'autre côté. Donc ça veut dire quoi Il y a cette situation d'insécurité qui doit interpeller l'État non pas, je dis bien les écoles, les classes en paillotte. On peut avoir des classes en paillotte, mais il faut que ces écoles-là soient sécurisées. Soient sécurisées. comment La vigilance. Et la vigilance, c'est quoi C'est tout simplement où il n'y a pas de clôture, clôturer ces écoles-là. Parce qu'aujourd'hui, même à Niamey, il y a des écoles qui ne sont pas clôturées. Il y a des écoles aujourd'hui où les élèves cohabitent avec les ordures ménagées. Merci beaucoup. C'est pas bon. Merci, pour vos points de vue. On prend une courte pause avant d'amorcer la troisième et dernière partie du forum. Ces dernières années, les éleveurs de Gaïa sont confrontés à un problème d'accès au pâturage. Cela les oblige à descendre vers le Nigeria et le Bénin. Cependant, la fermeture des frontières avec ces pays voisins et les défis sécuritaires compliquent davantage leur situation. Euh, suivons à ce sujet le correspondant du studio Fadel Alou, depuis la capitale du Dandi. Fadel Alou, bonjour. Bonjour Mokhtar. Que peut-on savoir au sujet des difficultés des éleveurs dans le département de Gaïa alors, euh, Mokta, le pastoralisme à Gaïa est confronté à plusieurs défis. Et le changement climatique impacte sévèrement les quantités de pluie annuelles enregistrées. On constate une diminution des précipitations par rapport aux années précédentes, entraînant une réduction des productions agricoles. Euh, conséquence euh, une insuffisance de résidus dans les champs et les espaces euh, de pâturage ne répondent plus aux attentes des éleveurs pour l'alimentation du bétail. Cette problématique s'accentue avec les transhumants d'autres régions. Et face à cette insuffisance de pâturage, certains éleveurs sont contraints de descendre plus au sud euh, vers les pays voisins tels que le Nigeria. Fadel Alou, on sait que les frontières avec euh, le Bénin et le Nigeria sont fermées. Quelle alternative pour euh, les éleveurs alors déjà, je dois vous préciser que ces déplacements vers euh, ces pays voisins, notamment le Nigeria, euh, ces déplacements pourraient les exposer d'abord à des vols de bétail et même des enlèvements, comme l'a signalé un membre du bureau régional de l'association pour la redynamisation de l'élevage au Niger, à Rennes et de l'autre côté du Bénin, une nouvelle politique de sédentarisation euh, mise en place depuis trois ans a conduit les autorités à interdire la transhumance transfrontalière euh, sur leur territoire les éleveurs étrangers ne sont désormais plus acceptés, quel que soit leur lieu de provenance, à spécifier l'État euh, du Bénin. La semaine dernière, d'ailleurs, les autorités administratives de la commune de Karimama au Bénin ont signalé la présence d'éleveurs nigériens sur euh, l'île aux oiseaux. C'est pour cela que le préfet de Gaïa a demandé aux pasteurs de la commune de Tanda de se retirer. C'était l'objet de son déplacement sur place pour les sensibiliser davantage. Il recommande de rester sur le territoire euh, national pour les activités euh, pastorales. Donc, euh, Mokta, les défis auxquels font face les éleveurs sont considérables. Ils sont obligés de s'adapter aux restrictions imposées par les hommes et par la nature. Cependant, ils expriment le souhait de voir le développement des cultures fourragères il sollicite aussi euh, surtout le soutien de l'État du Niger et ses partenaires pour euh, améliorer leurs conditions. Merci beaucoup Fadel Alou depuis Gaïa. Merci Yann Mouktar. Hussein Sajibo, la vallée du fleuve Niger à la frontière euh, Bénin-Niger est un endroit jadis propice à la transhumance et à l'élevage. Que faire pour redonner espoir à ces éleveurs Ça a été de tout temps. C'est pas c'est pas jadis de tout temps. Quand on parle de transhumance, c'est quand même un phénomène qui est là, qui est réglementé bien avant que les Blancs n'arrivent, n'est-ce pas On s'est retrouvé confronté à ce genre de situation souvent avec le Bénin. Vous vous rappelez de l'affaire L'île de l'été, n'est-ce pas parce que quand la période. Ça, c'est avant la fermeture des frontières. Oui, mais non, bien sûr, c'est longtemps. Mais c'est juste un rappel que j'ai fait avant la fermeture. Maintenant, on est dans une situation complexe, n'est-ce pas il s'est trouvé que cette année, la pluviométrie n'a pas été bonne, la production agricole n'a pas été bonne. Le déficit fourrager est estimé à des. J'avais les chiffres, mais je, n'ai pas pu les. Des quantités importantes, des millions de tonnes. Alors, si on se trouve en même temps qu'on est dans une situation de déficit, et de l'autre côté, on se trouve dans une situation d'embargo. De Les frontières sont fermées où les deux principaux voisins, où nos éleveurs le plus souvent vont, on ne peut plus accéder à ces terres-là, n'est-ce pas C'est une situation de fait qui est là. Alors, comment y remédier Tout simplement, c'est de créer les conditions. L'État doit mettre suffisamment de moyens pour pouvoir empêcher à ce que nos éleveurs qui ont l'habitude de faire cette transhumance-là soient confrontés à des situations difficiles. Parce qu'en allant, en prenant le risque d'aller là-bas, ah, c'est pas évident qu'il puisse. Il y a l'insécurité. Non, non l'insécurité est liée. Même les forces, les forces publiques peuvent faire des exactions sur eux. À partir du moment où la frontière est fermée, n'est-ce pas Même en temps normal, ils sont souvent victimes de ce genre d'exactions, n'est-ce pas À peu près dans une situation où on dit que les frontières sont fermées. L'éleveur qui va entrer avec son troupeau de bétail de l'autre côté, c'est les prix. on peut lui imposer n'importe quoi on peut le violenter. Alors, ce qu'il y a lieu de faire, c'est qu'ils comprennent qu'il y a une situation de fait qui est là, une situation d'embargo, de fermeture de frontières. On doit trouver des mécanismes pour pouvoir permettre à ces éleveurs-là de pouvoir tenir jusqu'à ce que la situation soit surmontée. Merci beaucoup, Ousseini Sajibo. Diado, au Niger, les problèmes essentiels de l'élevage se résument dans la transhumance, les maladies, les rapports avec les agriculteurs et la chasseresse. Le gouvernement nigérien a-t-il aujourd'hui les moyens pour faire face à toutes ces difficultés Je ne pourrais pas répondre. Euh, euh, exactement si l'État du Niger a les moyens ou pas pour faire face à, toutes à tous ces problèmes que tu viens de citer concernant le pastoralisme. Déjà que nous sommes dans une situation de changement euh, climatique, climatique, où de années en année, nous sommes confrontés à euh, un déficit euh, alimentaire. Et fourragé. parce que quand on parle de déficit alimentaire, il faut déjà voir euh, le problème du fourragé. Aujourd'hui, nous sommes également confrontés par l'insécurité dans plusieurs régions du pays. Et les éleveurs qui s'y trouvent, en tout cas dans ces régions-là, sont pris à mal entre le changement climatique et l'insécurité. Donc, il faut d'abord euh, essayer de, faire face, premièrement, au changement climatique. Peut-être s'adapter, euh, s'adapter, euh, être résilient aux effets du changement climatique peut-être également exploiter d'autres manières aujourd'hui. Pourquoi pas de euh, aujourd'hui un système, j'ai vu ça dans un autre pays où on peut cultiver, on peut faire du forager, on peut e, expérimenter le fait d'avoir euh, des champs, de fourrage. Pourquoi pas hors saison. Hors saison, pourquoi pas pour pouvoir soutenir ces éleveurs là et de l'autre côté, il faut également, avec cette fermeture de, frontières, euh, les éleveurs sont confrontés à plusieurs difficultés. Moi, je me dis que quand une, euh, année euh, agricole elle est bonne, il n'y aura pas de problème de fourrager. Mais quand c'est une agriculture défaillante, ça veut dire qu'il y aura toujours des problèmes. Maintenant, c'est à l'État de voir dans la possibilité rapidement euh, comment est-ce qu'il faut faire pour contenir euh, tous ces, problèmes et ces préoccupations de ces éleveurs-là. Merci beaucoup, Mme Diado. Euh, Hassan, Hassan Boukar, rapidement. De tous les temps, les autorités publiques et techniques des différents régimes qui se sont succédés ont développé l'idée selon laquelle l'élevage constitue la seconde mamelle de l'économie du Niger après l'agriculture. Selon vous, que faire pour redynamiser ce secteur aujourd'hui oui, je pense que il y a d'abord la, question de la libre circulation des troupeaux. Déjà, ça se pose au niveau du, territoire national. Hein. C'est-à-dire que euh, généralement, on pense qu'il y a des aires d'élevage à partir desquelles euh, les troupeaux restent pendant une certaine période de l'année jusqu'à ce que les champs soient libérés par les agriculteurs. Aujourd'hui, avec euh, l'impact du changement climatique, les aires d'élevage sont menacées, il y a moins de pluie, donc moins de pâturage. Il y a une tendance à venir vers les zones agricoles avec tous les conflits que cela, pose. Donc la question, c'est comme on l'a dit, l'agriculture face au changement climatique, qu'est-ce qu'on dit On dit les pluies sont irrégulières, il faut peut-être aller aux cultures irriguées. Est-ce qu'il faut aussi produire le, du fourrage, pour, hors euh, saison Voilà, hors saison, il faut le produire de façon à sécuriser les troupeaux. Maintenant, euh, il y a des traditions de transhumance euh, entre le Niger, le Bénin, le Nigeria. À mon avis, l'État est amené à négocier, à discuter avec euh, ces pays de façon à ce qu'il y ait une certaine fluidité sur les zones frontalières. C'est qu'on vit une situation conjoncturelle la fermeture de la frontière. Je pense que euh, on peut arriver et on peut espérer que dans les semaines à venir, que toutes ces questions-là puissent passer. Et comme ça, il peut y avoir le déplacement. Mais même avant l'embargo, hein, je pense que lorsque les troupeaux partent sur le territoire béninois ou nigérien, il y a toujours eu des problèmes. Euh, il y a aujourd'hui l'insécurité que l'on connaît, mais il y avait déjà aussi des voleurs organisés en bande. L'insécurité au Nigeria et au Bénin. donc il y, avait déjà ça. Mais de façon globale, à mon avis, ce que l'État doit faire, c'est une réflexion sur le moyen et le long terme. C'est-à-dire que probablement, on a du mal aujourd'hui à impacter. Revoir le budget prévu pour. Il, y a le budget. Ce que je veux dire, le changement climatique aujourd'hui, pour l'instant, on n'arrive pas à prendre des décisions majeures pour euh, impacter le, changement climatique dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens de réduire le réchauffement de la planète. Ça veut dire que les conséquences telles qu'elles les vivent les éleveurs, ça va continuer. Alors, quelle peut être la solution dans, les espaces sahéliens C'est déjà des espaces euh, sur le plan écologique, sur le plan environnemental, qui sont déjà fragiles, qui vont être davantage fragilisés. Et comme on le voit aujourd'hui, ça, va déboucher sur des conflits entre communautés, sur l'accès aux ressources qui s'aménagent, etc. Donc, à mon avis, l'État doit faire une réflexion stratégique pour dire quel est le type de réponse qu'on peut donner sur la durée à ce type de questions. Merci beaucoup. Nous sommes au terme de ce forum de la presse euh, du studio Kalangou. Merci à nos invités Hassan Boukara, journaliste à la radio alternative, Ousseinissa Jibo, journaliste indépendant, et Maimouna Diado, journaliste indépendante. Merci aussi à vous tous, chers auditrices, auditeurs, téléspectatrices, téléspectateurs et internautes pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche dès 17h sur nos 52 radios pour suivre l'actu des jeunes suivis de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 samedi, suivez le forum à Roussa et dimanche, c'est lui en Zarma. Si vous nous avez suivis en cours de diffusion, pas de soucis. Rendez-vous sur notre site internet www.istudiokalangu.org et sur nos réseaux sociaux. Merci aussi à la technique côté son assurée par Mustafa Ayuba à la régie vidéo Seni Isaka. C'était Mokhtar Hamadou à la modération du forum. Merci à toutes et à tous. À la prochaine.